le forum du studio le forum du studio Kalam. le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum studio il est 18h15 à Niamey. Chers auditeurs, euh, bonsoir et merci de votre écoute au programme du studio Kalangou diffusé chaque jour à travers notre réseau dynamique de 38 radios partenaires couvrant toutes les 8 régions du Niger. L'accès à la justice au Niger, atouts et obstacles, c'est le thème que nous vous proposons aujourd'hui constituant un droit fondamental car figurant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et stipulant son article 8 que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violents. Les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi, l'accès à la justice reste toujours problématique dans beaucoup de pays et nombre de citoyens en sont privés pour diverses raisons que nous aborderons au cours de cette émission. Que signifie ce droit fondamental à toute personne appelée accès à la justice Comment ce droit humain est-il garanti au Niger Quels sont les instruments juridiques qui le prévoient Quels sont les obstacles pouvant freiner la jouissance de ce droit Que signifie l'égal accès de tous à la justice la justice est-elle réellement accessible à tous sans aucune discrimination sociale, ethnique, raciale, religieuse ou politique pour apporter des réponses, nous recevons le magistrat Ayoub Hassan, ancien secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger Saman, actuellement conseiller à la Cour d'appel de Niamey. Monsieur le conseiller, merci encore pour avoir accepté cette nouvelle invitation de Studio Kalangou. À la présentation de ce forum, Michel Deji. Commençons par la signification de l'accès à la justice. Euh, monsieur le conseiller, qu'est-ce que ça veut dire Merci bien. Donc, je vous remercie pour nous avoir invités donc, à ce grand débat et vous remercie également pour les efforts que le studio Kalangu Kamang fournit pour faire connaître nos institutions. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, ce qu'on entend par accès à la justice, en fait, comme vous le savez, la justice, quand même, c'est un service public. Donc un service public doit être accessible aux citoyens. Donc la loi a consacré donc des droits pour les citoyens. Donc c'est dans ce cadre qu'effectivement tous les mécanismes prévus par la loi pour faciliter aux citoyens de faire prévaloir leurs droits à la justice. Donc c'est ça en fait le grand concept d'accès à la justice. Donc on va revenir sûrement pour les mhm. autres détails. Oui, la justice est-elle réellement accessible à tous euh, sans aucune discrimination sociale, ethnique, raciale, religieuse ou politique euh? Oui, effectivement, la justice est accessible à tous parce qu'il faut quand même partir des textes qui consacrent donc euh, cette accessibilité, d'abord par la mhm. Constitution, qui a posé le principe de l'égalité devant les services publics. Et comme la justice, quand même, c'est un service public, donc les citoyens sont égaux devant la loi et devant la justice. Donc, tous les droits que la Constitution reconnaît aux citoyens, c'est en travers justement la justice là qu'on le met en œuvre. Comme vous savez quand même, le rôle de la justice, c'est de réguler le conflit sociaux. Donc tous les droits consacrés par la Constitution, c'est à travers donc la justice que vous les mettez en œuvre. Donc tous les mécanismes d'accès à la justice, donc par les, les qui sont créées, les acteurs judiciaires. Donc tout ce beau monde-là concourt justement à l'accessibilité à la justice. Donc c'est un droit fondamental Ok, il n'y a pas donc de limitation en tant que tel. C'est vrai, il y a des obstacles. Mais de par, le, par principe, il n'y a pas de, de, discrimination en tant que telle. Voilà. Les citoyens sont égaux. Les citoyens sont égaux devant la loi, devant la justice. Maintenant, il faut suivre les mécanismes parce que la justice, quand même, la loi a prévu donc, des garanties mhm. pour donc, euh, rendre euh, effectif donc, ce droit. Pour une meilleure justice, donc, la loi a posé un certain nombre de mécanismes. Mhm. Voyez-vous Donc, il faut suivre ce processus-là pour qu'effectivement, euh, votre droit à une justice soit garantie. Donc voilà, donc c'est en ces termes qu'il faut comprendre, c'est un ensemble de, de, normes qui concourent à l'accès à la justice. Donc c'est quand vous suivez ce bois là qu'on peut effectivement que donc euh, vous, votre droit à la justice est garanti parce que il faut quand même qu'on vous crée d'abord beaucoup de juridictions et des juridictions proches. Il faut aussi que vous ayez des acteurs judiciaires qui sont là pour rendre la justice. Il faut aussi que vous compreniez donc tout ce formalisme judiciaire, donc tout ça, ça concourt justement à la mise en œuvre de, vos votre droit fondamental d'accès à la justice. Comment un citoyen peut juger de ce droit ou demander réparation après un préjudice Bon, quand déjà vous estimez qu'il y a un préjudice, donc le, citoyen a le droit d'accéder à la justice. Donc en fonction donc de la nature du préjudice, donc il peut aller vers les organes judiciaires. Par exemple, si quelqu'un vous a fait un tort de nature euh, pénale, mmh. donc là vous allez porter une plainte vous c'est le procureur ou c'est les unités de police pour faire l'enquête et tout se suit. Maintenant, si aussi c'est, par exemple, une dette de nature civile, pour aller chez l'huissier, l'huissier qui fait son assignation, qui vous amène devant le juge compétent et vous suivez la procédure. Donc, c'est en ces termes qu'il faut. Sinon, par principe, vous avez suivi un préjudice, vous avez droit à réparation. Mais, comme on dit, on ne se fait pas justice. Il faut quand même passer par donc, ces canaux officiels de la justice pour que vous soyez mis dans vos droits. Comment déclenche-t-on une poursuite euh, pénale bon, Comme je l'expliquais tout à l'heure, la poursuite ah, pénale, effectivement c'est une plainte chez le procureur, comme aussi vous pouvez déposer directement votre plainte au niveau donc des unités de police ou de mhm. gendarmerie qui, sont chargées, voilà, qui font les procès verbaux, mhm. vous ils entendent maintenant. En fonction de ça, bon, c'est pas si c'est un vol là, on sait comment c'est des gardes à vue et tout et tout, mais si si c'est aussi, euh, en tout cas c'est pas à moi. Ça dépend de, la nature donc, du président, qu'on vous aurez. Sinon, déposez votre plainte, ça suit son cours. Après, bon, allez voir jusqu'au jugement, quoi, s'il y a lieu. Voilà, parce que, bon, procureur d'apprécier, parce que souvent, il peut arriver quand même que s'il estime que le préjudice est minime et que, bon, il n'y a même pas d'infraction, tout ça, il peut classer sans suite. Voilà, donc c'est ça. Justement, on est déjà au niveau des décisions que mhm peut prendre le procureur de la République. Quels sont ces différentes issues qu'une plainte euh, peut avoir une fois qu'elle est reçue par le parquet dans une procédure pénale Ok, si déjà on se situe dans le cadre de la plainte, que vous faites une plainte directement chez le procureur, donc, c'est toujours un manuscrit que vous lui envoyez. Et il va, il va donner suite. Il va donc, euh, c'est qu'on fait, le, soit, soit transmis aux unités donc, de police pour enquête. Si, bon, une fois donc cette enquête euh, effectuée, donc les unités de police donc, envoient le PV au niveau du procureur mhm. qui apprécie maintenant la suite à donner. Ça veut dire que c'est ça, on rentre dans les différents modes de poursuite. Donc le premier mode, comme je l'ai dit, s'il estime qu'il n'y a pas d'infraction, il peut classer sans suite mhm. en vous avisant que vous avez la possibilité donc de vous consister partie civile devant le juge d'instruction. Mhm. Comme aussi, s'il estime que c'est une infraction grave qui vient de se commettre, voyez-vous, donc là, il fait ce qu'on appelle le flagrant, le flagrant délit, mhm. si c'est un délit bien sûr, vous il saisit donc le tribunal de flagrant, il interroge donc la personne mise en cause, place, la place sous mandat de dépôt et il programme ça à l'audience de jugement en flagrant délit. Mais si c'est un crime, comme c'est une affaire compliquée, là, il doit forcément, euh, comme on appelle, ce qu'on appelle l'information judiciaire. Il doit envoyer le dossier au niveau d'un cabinet d'instruction et le juge va investiguer parce que, bon, le dossier à l'État ne permettra pas donc de, de, Donc, il faut quand même qu'il y ait des investigations complémentaires. Donc, c'est ça le rôle du juge d'instruction. Mais se saisine donc du procureur par un réquisition introductive. Donc, c'est ça les différents modes. Sans compter aussi si c'est un mineur qui est impliqué, il y a des juridictions spécialisées, mhm. le juge pour mineurs, que le procureur est forcément tenu de saisir. Donc, voilà grosso modo les modes de saisine donc en cas de, plainte euh, qui, qui atterri au parquet. Pour arriver à cela, nous avons d'abord la plainte. Qui rédige la plainte monsieur le conseiller Bon, la, plainte, c'est comme une simple note. En fait, il n'y a pas de formalisme à ce niveau. Hein. Mm-hmm. L'essentiel qu'on identifie l'auteur de cette plainte-là, les faits, vous n'êtes pas tenu de qualifier. L'essentiel dit, vous portez à la connaissance de telle autorité compétente ce qu'on m'a causé, vous faites ce qu'on dit, donc vous rapportez, et surtout vous l'invitez effectivement à ce que une procédure ouverte. En fait, c'est ça, il n'y a pas de formalisme, c'est juste euh, notre manuscrit. L'essentiel, c'est donner votre identité, vous signez et vous expliquez c'est pourquoi vous avez porté plainte. Donc, il n'y a pas de formalisme à ce niveau. Le formalisme se pose au niveau des actes judiciaires. Mmh. Voyez-vous À ce niveau, c'est juste votre acte. Donc, c'est comme si vous portez ça à sa connaissance. Maintenant, c'est quand ça rentre dans le circuit judiciaire qu'il y a un formalisme. Comment on rédige la plainte On voit par exemple que euh, les citoyens, les justiciables, lorsqu'ils vont dans une unité de police, euh, ils sont assistés naturellement par un inspecteur de police mhm. euh, en l'occurrence, mais la plainte en tant que telle, d'autres la rédigent et la portent directement dans un tribunal. Comment ça se fait la rédaction Bon, comme je vous ai dit, hein, d'abord votre identité. Vous dites qui vous mhm. êtes. Hein, je mhm. suis un tel, un tel, votre profession, vos contacts aussi, parce que c'est important, ça permettra demain, si on a besoin de vous saisir ou de, vous notifier acte, qu'on sache d'abord de qui provient donc cette plainte-là. Parce que ça peut avoir des conséquences. Si vous portez plainte contre quelqu'un, ça s'est soldé sur euh, <laughs> un autre lieu. Donc la personne peut se retrouver contre vous. Il faut bien qu'on sache qui on a en face. Donc ça, c'est un élément très important. Et aussi, le, lieu. Si vous êtes à Niamey, c'est naturellement à Niamey. Parce que faut que vous allez aussi dire auprès de quelle autorité vous avez déposé votre plainte. Mhm. c'est le procureur de Niamey, donc il faut bien que vous précisez cela. Ça, c'est vraiment l'aspect territorial. Oui, voilà, c'est très important. Mhm. Et vous-même, c'est à Niamey, adressé au procureur. Maintenant, l'objet, l'objet, ça veut dire ce pourquoi vous faites la plainte, mhm. l'objet de la plainte. Donc, si on vous a causé un tort quelconque, vous expliquez que j'ai l'honneur donc de porter à votre connaissance que tel jour dans mon quartier, mon voisin m'a fait ceci, cela. Vous, résumez ça succinctement mais vous n'êtes pas qualifié, de, vous n'êtes pas tenu de dire que c'est réprimé par tel, code, tel article du code pénal. Non, non, non, ça, c'est pas le rôle donc, du profane. Mm. Voyez-vous Parce que ça ne lie pas ni le procureur, ni les, comment on appelle ça, les unités d'enquête. Mm. Ce qui compte pour eux, c'est le fait. Les mm. Maintenant, c'est quand ils vont investiguer, ils vont faire l'enquête, qu'ils vont savoir les faits. Si c'est viol, si c'est tentative de ceci, là, on verra bien. C'est après que le, le procureur va habiller ça juridiquement quand il reçoit son PV, lui, il va donner une suite. Voyez-vous Donc, c'est comme ça. Et après, bon, vous signez naturellement, vous signez, après, bon, vous déposez votre plainte. Voilà. À qui est-elle destinée, la plainte Forcément au procureur Au procureur, parce que c'est comme on dit, c'est le patron de, de, la police judiciaire. Les enquêtes se font sous son contrôle. Mhm. Si vous adressez votre plainte au procureur, donc comme lui, il, pas, il peut le faire, mais il a d'autres choses à faire, il ne fait pas les enquêtes. En réalité, il y a ce qu'on appelle les enquêtes à parquet. Mais la plupart du temps, le procureur envoie les plaintes au niveau des, unités d'enquête pour tamiser, parce mhm. qu'ils ont les moyens qu'il faut pour aller faire des fouilles de domicile, euh, pour aller entendre d'autres témoins et envoyer le PV. vous Donc c'est sous son contrôle. Mais ce n'est pas lui qui fait ça. C'est lui, c'est en recevant, il va lire pour voir ce que vous avez dit, si c'est fondé ou pas, avant de donner suite. Mais donc, c'est adressé au procureur qui est le patron de la police judiciaire et il envoie ça au niveau de ses unités d'enquête. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir de plaintes verbales, entre guillemets Oui, oui, oui, bien sûr, parce que vous avez la possibilité, effectivement, d'aller directement au niveau des unités d'enquête. Voilà, euh, je viens porter plainte contre un tel, contre un tel. Mais de plus en plus, peut-être que souvent, les gens peut-être ont peur d'aller à la police ou à la gendarmerie directement, alors qu'ils ont la possibilité d'aller. Voyez-vous, c'est mhm. la même chose. Hein. Parce que souvent, quand vous déposez même chez le procureur, ça peut même prendre du temps, le temps de recevoir le courrier et de transmettre ça, alors que vous-même, vous pouvez aller directement au niveau de l'unité, donc de la gendarmerie ou de la police, porter votre plainte. Ils ont ce qu'on appelle le registre, donc ils ont registre de plaintes. Ils reçoivent les plaintes chaque jour, ils mentionnent. Voilà, registre de main courante, chaque jour, un tel a porté plein de temps. Maintenant, il doit les suites qu'il faut. Mmh. C'est juste euh, entendre les parties. En tout cas, c'est ça. Mais Peut-être que, bon, avec l'esprit de l'état de droit, les gens se disent que si je passe par le procureur, ça, a un peu plus de poids, il vont m'écouter. coûter. Mhm. Donc c'est peut-être pour ça que bon, de plus en plus les gens passent par le procureur pour déposer leur plainte. Mais s'il y a cette possibilité de, déposer directement. Ça veut dire que le citoyen a la latitude d'aller directement voir le procureur. Le procureur, lui expliquer son problème. Maintenant, le procureur doit le diriger vers l'unité d'enquête voilà, pour qu'une euh, suite soit donnée. Maintenant, est-ce que c'est un seul procureur que nous avons dans un tribunal Il y a aussi les substituts. Oui, justement. Bon, en fait, c'est le parquet, euh, ce qu'on appelle indivisible. Mhm. Voyez-vous, le procureur, c'est le patron. Maintenant, il y a ses substituts. Donc, c'est un même travail. Donc, euh, si le procureur soit. Mais comme on est au stade de, de, la, plainte, effectivement, le procureur peut les diriger vers un autre substitut. Comme aussi, si c'est un courrier administratif déjà, la plainte qui reçoit dans son euh, registre là, peut donc faire des annotations et envoyer le dossier au niveau de, l'unité d'enquête, quoi, sans même passer par le procureur de substitut, en attendant que maintenant, quand le PV arrive, en ce moment, pour le traitement, il peut aussi les dispatcher à ces différents substituts pour traitement. Maintenant, dès que le justiciable porte plainte contre X, on voit qu'il y a une décision de garde à vue qui peut être prise au niveau de l'unité d'abord de police, euh, euh, de la police. Euh, ça se fait comment Qui prend cette décision Oui, ça c'est celui maintenant, parce que là, c'est la police judiciaire qui a son dossier, parce que c'est d'abord son dossier. Si, mm. si on lui confie donc une enquête, donc c'est l'officier ou euh, on appelle, l'inspecteur de police donc de gérer son dossier. Lui, il sait qu'il faut entendre, qu'il faut pas entendre. Quand est-ce qu'il faut placer en garde à vue, quand est-ce qu'il faut pas placer en garde à vue. Mmh. En c'est sous sa responsabilité. Mmh. Hein? Normalement, à ce niveau, le procureur ne doit pas intervenir parce que vous m'avez confié un dossier, vous allez me laisser traiter ça. Mais effectivement, il y a un échange. Voilà le feedback on s'échange, après, il les instructions qu'il faut, mais c'est sous la responsabilité donc, de, de, l'inspecteur qui, assure donc euh, l'enquête. Mais il y a une durée bien limitée. Oui, il y a une durée limitée, 48 heures, euh, renouvelable une fois, voilà, c'est ça. c'est ça. Ce qui donne 4 jours. Voilà, sauf en matière de terrorisme, c'est 15 jours renouvelable une fois, effectivement. À la fin, voilà, quand on renouvelle, quand c'est bah, un week-end, bah, on bah, attend le lundi. Voilà, pour le, le déferlement. Le plaignant a-t-il forcément besoin de l'aide d'un avocat ou d'un huissier de justice dans le cadre de son droit d'accès à la justice, euh, monsieur le conseil Oui, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. D'avoir un avocat. D'avoir un avocat parce que c'est ce qu'on appelle les, sachants, les techniciens de la chose. chaque chose, il y a quand même des experts. Voyez-vous mhm. Parce que je vous ai dit que la justice, là, c'est du formalisme. Mhm. Par exemple, il y a des matières. Par exemple, si vous voulez saisir le tribunal de grande instance, mhm d'une affaire de dette ou d'une affaire civile, vous ne pouvez pas aller directement voir le président du tribunal, ce n'est pas possible. Il ne va pas vous recevoir. Vous êtes tenu de passer par un huissier pour qu'il puisse faire ce qu'on appelle l'assignation. Mhm. Bon, voilà, à tel jour, tel, à telle date, un tel et un tel doit venir devant le tribunal pour donc euh, telle affaire. Mhm. Voilà, donc ça c'est le formalisme. Et aussi à la fin du jugement, on a un code de procédure civile qui a tamisé tout donc il y a ce qu'on appelle la mise en état. Vous devez faire des, ce qu'on appelle les conclusions pour essayer de résumer votre affaire, essayer de produire toutes les pièces là. Donc ça, c'est à ce moment que l'avocat intervient. Voyez-vous alors que si vous, vous n'avez pas d'avocat, ça va être difficile pour vous. Si de l'autre côté, l'autre a un avocat, vous devez faire euh, des mémoires et produire des pièces, voyez-vous, et il y a des délais à respecter, des formes à respecter, et là, rentrer dans le droit pour mm. convaincre le juge. Donc, mm. vraiment, la, le passage par ces différents acteurs, c'est important. Mhm. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas obligé, parce que c'est votre droit, si devant le, le, juge civil, vous êtes en droit de prendre un avocat ou non. Donc si vous le faites, c'est à votre avantage. Donc c'est très important, parce que l'état de droit, le contentieux est très important et très pointu. Voyez-vous, même si vous êtes un grand juriste, vous êtes professeur d'université ou autre, ce n'est pas évident que vous puissiez vous-même défendre vos, droits en justice. Donc, il faut forcément passer par ces acteurs-là. Chacun a son rôle à jouer. Est-ce que le juge, par exemple, il tient compte du fait que, par exemple, un justiciable n'a pas d'avocat et qu'il ne peut pas euh, suffisamment avoir d'arguments pour se non, défendre Non, c'est pas ça le rôle du juge. Le, juge a un rôle d'arbitre. Mhm. Après ce qu'on appelle neutre, impartial et indépendant mhm. des parties. partis. Hein? Et en matière civile, c'est l'affaire des partis vous avez une affaire, venez me convaincre. Donc il n'a pas de parti pris. Voyez-vous Mais là, il, va voir. Parce que si l'autre a fait conclusion, il a développé de, moins de droits, le juge est tenu de répondre. Si vous, vous n'en avez pas, peut-être que vous ne pouvez pas poser les problématique auxquelles le juge doit répondre. Donc c'est vraiment important d'avoir. Mais si vous n'avez pas, le juge ne peut pas vous choisir quelqu'un, ce n'est pas possible. Sauf si on est en matière criminelle ou si vous n'avez pas le mot, le juge est tenu de choisir un avocat. Sinon, en matière civile, ce n'est pas possible peut pas désigner un avocat, ce n'est pas son rôle. Il doit rester dans sa cage d'arbitre de, et trancher en conséquence. Ça veut dire que quand on n'a pas d'avocat, c'est un peu difficile. Quels sont les frais à payer, monsieur le conseiller Par exemple, les honoraires d'avocat, les frais du procès et autres, pour avoir accès à la justice. Oui, c'est vrai que la justice a un coût. Mhm. Bien que le service public de la justice est gratuit, parce que ce n'est pas les partis qui paient le juge, c'est l'État qui paye le juge. Voilà, c'est l'État qui paye le juge. Ils sont des fonctionnaires hein, d'un certain ordre. Mais les actes ont un, coût. Mm. Comme je vous le disais, par exemple, pour l'assignation. Si vous allez voir l'huissier, l'huissier, généralement les huissiers, ils ont ce qu'on appelle un barème. Mm-hmm. Si c'est une assignation, si c'est un constat, ils ont un barème généralement qu'ils affichent au niveau de leur euh, cabinet. Mm-hmm. en fonction de ça, ils sont tenus de respecter ça. ils mettent même au bas de, de l'acte le coût de l'acte, voyez-vous. <laughs> donc en fonction du nombre de parties. Maintenant, pour les avocats, généralement, c'est euh, ce qu'on appelle une convention, ils signent que voilà, pour un début, vous allez me payer tel montant, tel pourcentage, si le dossier atteint tel niveau, c'est généralement, bon, la convention, c'est l'accord entre les parties. Mhm. Voyez-vous, donc ça, c'est une convention, c'est laissé donc au libre choix des parties, et sinon, il n'y a pas de barème à, ce niveau. Voyez-vous, maintenant, bon, les autres acteurs, les notaires, ils, ils, ont un barème, mais pour les avocats, c'est une convention, vous signez, fonction donc de l'évolution. Voilà. Maintenant, si l'avocat peut dire que bon, moi je sors de votre affaire parce que vous ne m'avez pas payé ou bien pour des raisons propres à moi, je sors, ça c'est aussi réglementé. Maintenant, si vous pouvez avoir des problèmes à votre avocat, il y a des mécanismes pour saisir le bâtonnier pour euh, faire ce qu'on appelle le truc d'honoraire, pour arbitrer entre vous. Donc la, loi a tout réglementé. Dans la poursuite civile, on voit que on demande parfois au justiciable de donner de l'argent mhm. euh, lorsqu'il veut saisir euh, le juge d'instruction mhm. avant d'aller en profondeur dans un dossier. Bon, en fait, là, ce n'est pas une poursuite civile. Ça, mhm. c'est toujours la poursuite pénale. Hein. Mais il y a la poursuite civile, quand la matière est purement civile, si c'est une affaire de dette, de créance entre vous, vous saisissez l'huissier, il va assigner devant le tribunal civil. Mais dans le cas dont vous évoquez, c'est quand effectivement vous avez porté plainte, le procureur a reçu la plainte, il a estimé qu'il ne doit pas poursuivre la classe sans suite, mhm. mais il vous notifie votre droit de vous consulter partie civile, Au, niveau du, doyen. Mhm. Effectivement, là, le doyen aussi, pour donner suite à ce que vous dites, dit bon, constitution de partie civile avec caution. Maintenant, à mhm. lui de fixer la caution. Ça, c'est juste, c'est le code de procédure pénale qui a fixé ça pour vaincre l'inertie du procureur, pour permettre à ceux que une euh, poursuite soit engagée. Donc ça, c'est la loi qui a maintenant au doyen de fixer le montant qu'il faut. Maintenant, si vous payez, après, on renvoie le dossier sur le procureur pour prendre ses réquisitions. S'il est d'accord ou n'est pas d'accord. Maintenant, celui qui a le dossier, le doyen, c'est à lui de voir s'il faut ouvrir une, euh, information ou pas. Donc, ça, c'est juste la procédure. Et si le justiciable n'a pas de moyens pour payer cette caution qu'il faut verser euh, Bon, ça, à, à ce niveau-là, Mhm. ça ne lie pas la justice. Si vous estimez que l'autre, le procureur a classé sans suite et vous voulez que cette affaire continue, mais à vous de vous donner les moyens pour essayer de vaincre son inertie et payer l'argent. C'est pas pour la justice, c'est juste une caution que vous déposiez. Parce que ça peut avoir des conséquences. Parce que si le procureur a classé lui, c'est pourquoi Parce qu'il s'est dit que peut-être que cette plainte n'a pas de chance de prospérer. Mhm. Voyez-vous Et si ça n'a pas de chance de prospérer, et que malgré tout vous insistez, on a ouvert le dossier, ça se solde par un non-lieu, ben écoute, la personne contre qui vous avez engagé ce procédure est en droit de vous attaquer en dénonciation mm-hmm. calomnieuse. Voyez-vous mm-hmm. Donc ce montant-là peut servir à ça. Et la caution, est-ce que le justiciable la perd à la fin Non, non, non. Ou la récupère quand il gagne y a une partie, tu peux, voilà, tu peux récupérer ça, ça. Ça aussi, le code de procédure pénale a réglementé ça. Et cette partie est réservée pour certains frères, d'autres non. Non, ça, c'est pas perdu. Voilà, c'est juste euh, une garantie, comme on dit. quoi. Monsieur le conseiller, existe-t-il euh, des services qui facilitent l'accès à la justice euh, au Niger Oui, bon, il y a d'abord la justice même, elle-même, hein, parce que de plus en plus, quand même, on a revu notre carte euh, judiciaire. Parce que notre organisation disait avant, c'était par exemple juste deux, cours d'appel et des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance au, de instance au niveau des, chefs-lieux de région mhm. et des tribunaux d'instance au niveau des, chefs-lieux de département. Mais suite à la récente euh, loi sur l'organisation judiciaire, on est allé jusqu'à créer des, tribunaux communaux. Mhm. Bien que, bon, on n'a pas l'effectif, c'est vrai, hein, on est dans la phase transitoire, mais au niveau de certains tribunaux d'instance, on a eu à nommer des procureurs délégués pour en tout cas rapprocher la justice des justiciables. Donc, les premiers services, d'abord, c'est la justice elle-même qui essaie de, décentraliser au, maximum, déjà. Voyez-vous Mais ça n'empêche que, comme je vous ai dit, que l'accès à la justice, est un formalisme. Donc, souvent, la plupart du temps, les gens sont indigents. Ça veut dire que les gens n'ont pas les moyens pour payer ce coût-là. Voyez-vous C'est pas pour payer le juge, c'est pour <laughs> payer les actes de, justice, OK Mais il peut arriver que les gens n'ont même pas ce moyen-là aussi pour défendre euh, les dossiers. Parce que tu peux avoir des dossiers compliqués et vous n'avez pas le moyens. Par exemple, vous avez des problèmes de champs avec plusieurs villages et que vous êtes indigent, vous êtes pauvre. Donc, c'est pourquoi l'État du Niger, donc en partenariat avec certains euh, bailleurs, on a créé ce qu'on appelle l'agence d'assistance juridique et judiciaire. Donc ça aussi, ça rentre dans le cadre justement de de l'effectivité de la justice des de, droits humains, l'ANAGE, hmm. qui est aussi décentralisée, qui a des antennes au niveau des régions. Au niveau des TGI, il y a donc des antennes de l'ANAGE qui a donc pour rôle effectivement tout celui qui a un procès et qui n'a pas les moyens peut passer par cette agence-là pour qu'on puisse lui choisir un avocat ou un huissier pour en tout cas faire accomplir les, actes qu'impose donc son, cas. Qui oriente euh, le justiciable vers euh, l'ANAGE Ou bien c'est lui-même qui prend la décision, l'initiative d'aller vers l'ANAGE Ou bien comment ça se passe bon, En fait, il y a un bureau qui est présidé par le président du tribunal. Donc, dès que vous partiez là-bas, justement, souvent, ils ont même des bureaux d'accueil. Et c'est à part, c'est écrit, l'agence euh, d'assistance juridique et judiciaire. Donc, le bureau est là, c'est pas dans le, bâtiment de la justice, même c'est carrément à, l'entrée, au niveau des de différents tribunaux. Dès que vous venez, vous allez voir le, bureau de l'ANAGE. Mm. Donc, c'est le président du tribunal qui, qui est le président. Donc, vous les saisissez, vous les expliquez votre cas. Maintenant, s'il y a lieu, ce n'est pas automatique. Hein. il va, c'est parce qu'il faut quand même que vous prouvez que vous n'avez pas les moyens. Donc, il faut que vous présentez, par exemple, un certificat d'indigence au niveau de votre commune, tout ça là. Donc, ça, il y a une procédure. Maintenant, s'il fait droit à ça là, effectivement, on peut vous donc, choisir un avocat qui va prendre en charge euh, votre dossier. Ça veut dire que c'est au justiciable d'aller lui-même en personne voilà, se présenter. Voilà, voilà. Quand, quand la personne il n'a pas de moyens. Voilà, il n'a pas les moyens et il est un contentieux. Mhm. il est un C'est dans le cadre donc, du règlement des litiges qui sont au niveau de, de, la juridiction donnée. Voilà, donc c'est ça. Ceux qui assurent euh, les différents services au niveau du tribunal, est-ce qu'il euh, arrive qu'eux-mêmes orientent le justiciable vers la nage Bon, arrêtez. le, le problème d'orientation ne se pose pas, parce que c'est dans l'enceinte mais c'est un bureau à, part. Vous, vous allez le saisir quand vous avez déjà un contentieux et que vous n'avez pas les moyens. Donc ça veut dire déjà, avant d'aller au niveau de l'agence là, vous êtes déjà au, au, sein du tribunal, que vous avez déjà une affaire là-bas. Maintenant, ce problème, vous allez exposer que vous n'avez pas les moyens pour que, suivre votre dossier. C'est en ce moment qu'on va vous dire effectivement qu'il y a un bureau qui est là, qui va examiner votre situation et donner la suite qu'il faut. Parce que justement, nous avons des citoyens qui arrivent et qui sont complètement désorientés lorsqu'ils arrivent dans un tribunal. Ils ne comprennent pas du tout où se trouvent les bureaux et tout ça. Oui, moi, mais la plupart du temps aussi, on considère déjà que si vous êtes, par exemple, chez un juge d'instruction ou bien vous euh, vous êtes invité pour euh, un jugement d'une affaire. Donc, on vous amène un premier acte qui vous oriente. Généralement, les huissiers, ils sont là. Mais sinon, la plupart, il y a des bureaux même d'accueil. Hein. À ce moment, on a institué des bureaux d'accueil et d'orientation au niveau des différentes juridictions. donc, le problème d'orientation ne se pose pas. Mhm. Voilà, c'est votre problème qui permettra donc de, de voir où est-ce que vous devrez y aller. Monsieur le conseiller, comment ce droit humain est-il garanti au Niger Le droit d'accès à la justice, vous avez parlé des efforts de création de nouvelles juridictions visant à rendre les justiciables plus proches de la justice. Mm-hmm. Comment est garanti ce droit Oui, la garantie fondamentale, c'est d'abord dans la Constitution, mm-hmm. qui a posé le principe de la séparation de pouvoir. qu'il y a un service public de la justice qui est là, qui est indépendant donc, des autres services de l'exécutif et de l'Estatus, C'est donc une première garantie que, et qui a eu pour rôle justement de trancher les litiges entre les citoyens. Mhm. Voyez-vous Et aussi, il y a ce que la loi sur l'organisation judiciaire a prévu. Les différentes juridictions qui sont créées pour approcher effectivement la justice des justiciables et aussi ce qu'on appelle l'indépendance de la justice parce que les juges sont nommés, la loi dit que les juges sont indépendants. Mhm. Et aussi, ils ne sont soumis qu'à l'autorité de, la, loi, Et effectivement, ils, sont, ils, doivent être et impartiaux. Mhm. Donc, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sont tenus qu'à l'autorité de la loi. Et aussi, la justice est rendue au nom du peuple, parce que mhm. c'est très important. La justice est rendue au nom du peuple dans le respect de la règle de droit. Donc, ça, de la donc tout ça, c'est des garanties qui sont là, que le juge aussi est tenu de respecter tout cela pour effectivement permettre aux citoyens de juger véritablement donc, de, leurs droits. Donc tout ça, ça concourt effectivement à rendre effectif donc, les, droits de l'accès donc, à la justice. Les difficultés d'ordre géographique, économique ou même euh, l'analphabétisme d'une grande euh, partie de la population nigérienne euh, ne constituent-ils pas des obstacles à l'égal accès de tous à la justice Voilà, oui, ça c'est des, des, des obstacles effectivement d'ordre structurel. Hmm. Parce que notre pays quand même est très vaste, 1 km carrés. Mhm. Voyez-vous Donc c'est pourquoi l'État a fait des efforts pour rapprocher la justice des justiciables. Voyez-vous On crée, on continue à créer, c'est un processus. Voyez-vous Et aussi, comme vous l'avez dit, l'analphabétisme. Parce que la justice, elle est, la plupart du temps, elle est écrite. Mhm. Souvent, les gens ont des problèmes. Parce que le langage qu'on parle, c'est la, <laughs> langue officielle, voyez-vous Donc tout ça, c'est à ce niveau qu'il y a des efforts à faire. C'est à des efforts à faire pour que on essaie de, de, mieux comprendre d'abord les droits et comment les défendre. Parce que d'abord, si vous comprenez vos droits, maintenant, c'est justement à la justice que vous pouvez les faire défendre. Voyez-vous Donc, mm. c'est vrai, c'est que vous dites, c'est des obstacles réels, mais des efforts ont été faits pour essayer de, de, le solutionner. Voilà. On constate euh, parfois une certaine lenteur dans la prise de certaines décisions de justice, ce qui fait que d'aucuns considèrent le recours à la justice comme une perte de temps. Mm. Quelle explication et conseils pouvez-vous donner non, En fait, c'est, peut-être que c'est une méconnaissance donc, des mécanismes qui régissent la justice. Mm. En réalité, ce formalisme judiciaire-là, c'est une garantie supplémentaire, parce que la justice ne se fait pas dans la précipitation. Hein, voyez-vous Donc il faut comprendre le temps pour comprendre les choses, pour analyser, voyez-vous Parce qu'il y a beaucoup de dossiers, voyez-vous donc c'est une garantie pour le citoyen, ce n'est pas un privilège pour le juge. Le formalisme là, c'est pour rendre une bonne justice. Parce que comme disent les anglo-saxons, il ne faut pas rendre une justice, il faut que la justice donne l'impression aux citoyens qu'elle a été bien rendue. Mhm. Voyez-vous Donc pour que cela se fasse effectivement, il faut respecter ce formalisme là. C'est très important parce que y a ce qu'on appelle les droits de la défense. Voyez-vous, vous avez une affaire en justice, vous êtes deux, il faut quand même qu'on permette à chacun d'attaquer les, arguments de l'autre et dans les délais requis. Cela ne peut pas se faire dans la précipitation. Voyez-vous, donc ça, en réalité, c'est une garantie d'une bonne justice, bien qu'il peut y avoir des abus, je n'en vient pas, mais là même, il y a ce qu'on appelle les, voies de recours. Et il y a les mécanismes qui est là pour essayer d'amoindrir de, de, un peu donc, cette lenteur-là. Mais la lenteur aussi peut être liée à plusieurs causes également. Mmh dans un pays, la justice euh, qui est considérée être le dernier rempart contre l'abus et l'arbitraire n'a de force que lorsque les citoyens connaissent son fonctionnement, comme vous avez à l'expliquer, et lui font confiance. Ce qui fait que certaines personnes préfèrent ne jamais saisir une juridiction de peur euh, que le pire leur arrive, surtout lorsque l'adversaire maîtrise mieux le circuit ou occupe un rang social euh, élevé. Que suggérez-vous en pareille circonstance Non, non, c'est ce que je vous ai dit, hein, les citoyens sont égaux devant la loi. Il y a, en justice, ça, c'est ce que dit la loi. c'est ce que dit la loi et la pratique aussi, parce que la justice, c'est la justice du peuple. Voyez-vous mm. Maintenant, si vous avez, la justice doit être peut-être euh, visible. Voyez-vous, peut-être qu'on ne fait pas suffisamment de, sensibilisation pour que les gens puissent mieux comprendre et saisir la justice. Sinon, on est dans une république, Personne n'a le droit de se rendre justice. Donc, le principe de la séparation de pouvoir est consacré. Donc, c'est à la justice seule qui revient donc de réguler le conflit sociaux. Mmh. Donc, si vous avez des problèmes, vous devez vous rendre à la justice, pas ailleurs. c'est vrai qu'aujourd'hui, on a développé des modes alternatifs de règlement des litiges, c'est vrai, en matière commerciale, par exemple. Mais la voie idéale, c'est l'accès à la justice. Maintenant, comme vous avez dit, il y a des spécialistes du droit qui sont là. Il faut aller vers ces gens-là pour qu'ils vous conseillent d'abord et après, s'il y a lieu, ils vont saisir les instances judiciaires pour vous. sinon, le citoyen ne doit pas avoir peur de sa justice, parce que c'est d'abord sa, justice. Voyez-vous, donc c'est ça. Mais il est arrivé effectivement à l'État et aux différents partenaires de faire comprendre le fonctionnement de la justice pour qu'il y ait moins de critiques. Souvent, les gens, c'est des critiques infondées, ils font, parce qu'ils ne connaissent pas comment ça fonctionne. Mmh. Parce que la loi, par exemple, fait obligation à un juge de respecter le principe du contradictoire vous êtes, je vous ai convoqué à telle audience, votre adversaire n'est pas venu. Est-ce que vous avez intérêt à ce que moi je juge son affaire à son absence alors que même qu'elle a la possibilité aussi demain de venir faire opposition et là, vous ne gagnez pas du temps. Donc vous êtes tenu de, faire observer quand même un certain délai. Mais toujours est-il quand même que de plus en plus la loi a tout balisé. Voyez-vous hum. Par exemple, on a maintenant un code de procédure civile. Tout ce qui est affaires civiles, il y a un délai dans lequel le juge doit trancher ça, et aussi il doit le rédiger. Voyez-vous et si vous-même, parti, vous ne faites pas diligence, la loi, donc le code donne la possibilité au juge de euh, faire sortir votre dossier donc du rôle, de déclarer donc l'instance périmée. Voyez-vous Comme aussi en matière pénale, par exemple, le juge, si par exemple vous placez quelqu'un en détention, on vous fait obligation d'instruire son dossier dans un délai précis et ne pas aller dormir sur vos lauriers pendant que quelqu'un en prison et vous Non. Le code de procédure pénale aussi a réglementé ça. C'est pourquoi, justement, si vous avez un avocat, lui, il connaît tout ça. Si le juge ne fait pas diligence pour traiter votre dossier, la loi ce qu'on peut vous libérer d'office. Si le juge n'apporte aucun acte et que les délais, par exemple, en de, trois ans de, de 18 mois de détention sont dépassés, donc la loi dit qu'il faut libérer la personne. Donc ça, c'est la loi qui a tout, qui il n'y a pas d'arbitraire. Seulement, comme je vous ai dit, les gens ignorent comment la justice fonctionne. Pourquoi il faut faire appel aux spécialistes pour mieux comprendre et là, vous allez mieux défendre vos droits. Monsieur le conseiller, on a d'ailleurs souvent l'impression que ce sont les plus pauvres qui ont cette crainte euh, du fait que vous avez à expliquer que, par exemple, il faut faire recours à un avocat, il faut un huissier, et lorsque la personne n'a pas ce niveau euh, ou les moyens nécessaires, est-ce que vous pensez que la crainte n'est pas fondée à ce niveau Oui, elle euh, est fondée si on n'a pas les moyens, mais en réalité, la justice, tout le monde a peur de la justice. Mm-hmm. Hein? Parce que les gens, ils ignorent comment ça fonctionne. Ils voient la justice de loin, même les intellectuels. Parce que bon, le Niger n'est pas un pays où les gens suivent les audiences pour mieux comprendre comment la justice fonctionne. vous, si vous avez un problème, bon, vous ne savez pas comment faire. Mais en réalité, les, acteurs, les avocats, les ils sont là pour ça, justement. Parce que le juge n'a pas un rôle de conseil. Ce n'est pas ça le rôle du juge, parce qu'il est arbitre. Voyez-vous, devrait le saisir du litige. La loi dit que si un juge donne un conseil dans une affaire, lui, il doit se réquiser. Tu peux plus as donné un conseil dans une affaire et qu'après l'affaire vienne devant vous, vous ne pouvez plus juger. Donc c'est pourquoi il faut aller vers ces acteurs-là. Ces spécialistes du droit, ils vont vous orienter. Voyez-vous Le citoyen n'a pas à avoir peur, mais le citoyen se doit de comprendre donc les mécanismes de fonctionnement de la justice. C'est ça son rôle. Maintenant, c'est à l'État effectivement de faire l'effort pour que les gens puissent mieux comprendre le fonctionnement de la justice et aussi les ONG et autres. Pour que les gens puissent comprendre euh, comment la justice fonctionne et la saisir, mais ne pas avoir peur de la justice. Parce que vous avez peur de votre justice, là, c'est vos droits qui seront compromis. Voilà il y a des situations même où on voit que l'État met à la disposition du justiciable euh, un avocat. Ça se fait comment Oui, c'est ce que je vous dis. Par exemple, en matière criminelle, mhm. la loi fait obligation à la justice donc de désigner des avocats de commis d'office si vous n'avez vous dites que vous n'avez pas les moyens, donc c'est une obligation pour ne pas juger l'affaire sans la présence de l'avocat. Tout ça, c'est pour, garantir une meilleure justice. Pour le crime. Oui, pour le crime en matière Et pour les autres infractions, contraventions et délits Bon, en fait, pour les autres, ça, il n'y a pas de l'obligation. Il n'y a pas l'obligation. Maintenant, si vous-même, vous avez les moyens, vous pouvez effectivement prendre un avocat, voilà, il va défendre votre cause, voilà. Que faut-il pour que la justice en tant qu'institution soit mieux connue et que les justiciables aient plus euh, confiance euh, en elle Vous avez euh, parlé des actions à tous les niveaux. Hein. et les citoyens eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire D'abord, ce que vous, vous faites en tant que médias, pour que vos auditeurs puissent comprendre comment la justice fonctionne. Et c'est quoi la justice d'abord Parce que la justice, c'est un service public auquel donc les gens ont, ont droit. Mmh. Donc, et les médias, et l'État, et les autres acteurs. Parce que malheureusement, la loi ne fait pas obligation à nous, juges, acteurs de la justice, mhm. de, faire connaître la justice. <laughs> On doit nous saisir. Mais les, les autres acteurs peuvent prendre le relais parce que c'est un droit fondamental. Donc, on doit jouir. Donc, tout le monde doit concourir pour que la justice soit mieux connue, pour qu'on comprenne les mécanismes. Là, effectivement, notre démocratie va se raffermir parce que c'est fondamental. la justice, quand même, c'est le baromètre de la démocratie donc, dans un pays. Donc, les gens doivent comprendre son, ses modes de fonctionnement, qui sont ses acteurs, qui fait quoi. Voilà. Parce que souvent, les gens, que la confusion se pas c'est quoi un procureur, c'est quoi un juge d'instruction, c'est quoi un substitut, c'est quoi un conseiller, c'est quoi un avocat, un notaire, tout ça. On pense que c'est juge. <laughs> Alors que non, chacun a son rôle, chacun a son rôle, mais il appartient aux autres acteurs, à l'État et aux, aux ONG et autres, de faire en sorte que les citoyens soient sensibilisés sur leurs droits. Nous avons parlé de l'analphabétisme. Est-ce que l'éducation ne peut pas renforcer euh, le bon accès des citoyens à la justice Oui, c'est une possibilité. On peut voir au niveau des, programmes scolaires, au moins euh, l'accès à la justice, comment, ou bien les institutions judiciaires. Au moins, quelles sont les institutions judiciaires dans un pays et comment y accéder Comment on, fait pour donc euh, introduire une demande à la justice en tout cas, les grandes lignes, on peut le faire à l'école, euh, parce que malheureusement, souvent dans nos pays, il faut <laughs> à l'université pour euh, comprendre cela. Alors, même qu'on pouvait mettre ça depuis euh, l'école à la base pour que les gens aient au moins une première idée, c'est ça. On l'a dit dans l'introduction, monsieur le conseiller, l'accès à la justice est libre. Ça veut dire que si je fais le citoyen le droit d'aller, comme il a aussi la latitude de ne pas aller, qu'un citoyen euh, porte plainte, par exemple, et qu'il décide de retirer sa plainte, euh, qu'est-ce que le procureur fait Oui, en fait, ça, ça a, des variantes en fonction de la matière. Par exemple, si c'est en matière de ce qu'on appelle diffamation, adultère, ou ça concerne directement vous-même, c'est votre honneur qui a un jeu, mhm. effectivement, vous avez porté plainte, et après, vous êtes libre de dire que vous avez retiré votre plainte. Là, effectivement, ça lie. Donc, le procureur et même le juge de jugement par exemple, on dit en matière de diffamation à tout hauteur donc de la procédure, si vous retirez votre plainte, on doit constater ça, ça s'arrête. Mais dans les autres cas, ce n'est pas, c'est pas vrai. Et c'est ce qui arrive que souvent, les plaignants disent que moi, j'ai retiré ma plainte, mais c'est le procureur qui veut le garder ou c'est le juge. Mhm. C'est la loi. Le procureur s'occupe donc de l'action publique, de la faute. Mhm. Vous, vous êtes partie civile. Ça veut dire que vous vous joignez, même si c'est vous qui avez enclenché la procédure, vous vous joignez au procureur. Le procureur fait en sorte qu'on puisse sanctionner la faute. Là, c'est son rôle. Un vol, par exemple. Un vol, par exemple, mhm. c'est situation la chose Il faut qu'on punisse le voleur. Mhm. Maintenant, vous, vous, avez votre bien qui a été volé. Vous êtes libre de dire que je me consulte partie civile, je réclame remboursement ou pas. Ça, c'est votre droit. Mhm. Et même vous dire que bon, je retire ma plainte, je ne réclame rien. Mais ça n'empêche que le procureur, c'est un voleur, la loi réprime ça, il demande qu'on le condamne on le condamne pour l'intérêt de la bah, bah, société. Bah, voilà, voilà, parce que le procureur est dans son rôle, il doit quand même veiller à ce que l'ordre public ne soit pas troublé. Maintenant, vous, en tant que partie civile, vous pouvez ne rien demander, comme aussi, vous pouvez demander que, bon, voilà, on vous dédommage. Ça, c'est votre droit à vous. Donc, c'est ça qu'on appelle l'action publique qui appartient au procureur, dont le procureur fait la poursuite, et l'action civile par rapport à vos intérêts à vous. Donc là, vous êtes libre, vous, êtes, vous avez la libre disposition donc, de, vos droits. Donc vous, vous pouvez dire que je réclame rien. Et là, le tribunal va constater ça. Mais il peut condamner la personne c'est mhm. la faute commise. Voilà. Il arrive aussi qu'un justiciable décide de retirer sa plainte et après d'autres lui conseillent de ne pas agir ainsi et retourne encore pour dire que, bon, il euh, continue à poursuivre. Euh, dans ce cas précis, que décide... Euh, oui, non, en fait, c'est parce qu'il il peut porter plainte et que le procureur prend les choses à main. C'est une faute. Donc, c'est comme s'il a juste informé le procureur. Parce que le procureur a pour rôle quand même de défendre la société. Donc, lui, ça ne correspond pas aux intérêts de, la partie civile. Lui, c'est d'abord la faute commise. Donc, que vous ayez retiré ou pas, ou que vous reveniez, ça n'engage pas, ça n'a pas d'influence sur l'action publique dans les cas que je, vous ai spécifiés. Donc, voilà. Donc, si vous retirez, vous pouvez effectivement revenir. la procédure continue. Ça veut dire un citoyen, voilà. quand on porte plainte contre un tel, on retire la plainte. Après, après on peut encore ah revenir absolument, à la charge absolument. Comme aussi, si vous estimez que la voie pénale ne vous arrange pas, mhm. vous pouvez choisir la voie civile. Vous dites que bon, peut-être qu'au pénal, ça peut prendre du temps où vous n'êtes pas sûr de l'issue. Mhm. voyez vous donc là, vous allez chez les huissiers, vous faites une assignation. Maintenant, vous venez devant le juge de jugement, chacun amène ses preuves, si c'est des contrats, si c'est si là. Vous amenez le juge, vous apprécier. Et après, bon, il va voir si votre euh, requête est fondée ou pas. À lui de donner la suite. Est-ce qu'il y a des délais de prescription oui, oui, il y, a naturellement des délais pour ça, en fonction de la matière, en fonction de la mm. matière. Donc c'est ça, c'est au cas par cas. Mm. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'avec le temps, il peut arriver ou... Voilà, par exemple, normalement, si c'est en matière civile, mm-hmm. euh, vous, vous, devrez agir dans le, de 30 ans. Mm-hmm. <laughs> Euh, saisir un huissier pour aller devant le juge civil. Alors que, bon, en matière pénale, il y a des délais de prescription. De 3 ans pour le délit, de 10 ans pour les crimes, tout ça là. Donc, c'est fonction de la matière. Donc, voilà. Donc, si, vous estimez que en matière pénale, c'est prescrit, vous avez le droit, effectivement, par rapport à vos intérêts civils, d'aller devant le juge civil où vous avez un délai plus long. Maintenant, vous pouvez aller. L'huissier va vous faire une assignation et vous allez saisir les, les instances compétentes. Quoi. Fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème l'accès à la justice au Niger, atouts et obstacles. Nous retenons qu'il faut bien que les citoyens comprennent le mécanisme, différents mécanismes donc de fonctionnement de la justice mais aussi faudrait-il que les citoyens fassent confiance à leur justice qui est rendue au nom du peuple tel que stipulé par la Constitution. Merci au magistrat Ayoub conseiller à la Cour d'appel de Niamey. Merci aussi à vous, chers auditeurs des radios partenaires de Studio Kalangou, de nous avoir suivis. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation à la technique euh, Seine Bouzou, à la réalisation Boubka Rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro du Forum de Studio Kalango. Passez une excellente soirée et au revoir.